optimism to his followers. Rafet Njort, beautiful hope or optimism, regardless of the situation, was central to his teaching. In his view, no one was beyond rehabilitation. Everyone had a chance to flourish. He believed that Murid education could cure the ills of society by teaching people how to activate their positive inner strength through exemplary ethical conduct. From a pedagogical point of view, Bambo was an innovative and practical educator. His teaching philosophy was grounded in two key Sufi goals Tahliya, removing the flaws of the heart, Tahliya, adorning the heart with ethical virtues. He created three types of schools and made ethics the cornerstone of his pedagogy to accommodate, manage, and train the diverse and large crowds that came to him. He formed Darai al Quran, Quranic schools, Darai Khamkham, knowledge schools, and Darai Tarbiyah, ethical and spiritual vocational schools. He interviewed new disciples to evaluate their needs, abilities, and potential before sending them to one or three of the three schools and matching them with a Jorin, a unit leader, who could train and help them flourish. These were innovative in the traditional Islamic education system of his time. He ordered all his followers to cultivate knowledge and morality, especially yar aktegin, civility and discipline, and to study the Quran. No one ever stayed with Bamba without having a task. Bamba did not like laziness. He noted in Masalik al Jinan that those who had died wished they had the opportunity to return to this life for even a short moment to perform extra work that could benefit them when they return in the afterlife. The Dara Tarbiyah served as both educational institutions and as a crowd management strategy. They were tailored to the needs of the uneducated adults. Shah Ibrahim Afal performed the groundwork for these schools when he joined the movement in 1883 in Bakke Kayor. He led the first full fledged Dara Tarbiyah in Darussalam in 1886. It was through these activities of the Daru Dara Tarbiyah that many uneducated adults who came to the movement as non Muslims learned about the ideals and teachings of Islam and practiced the values of the Muridiyah. They were trained to become Muslims who would be successful and productive members of their society. Disciples learn all the practical skills, including how to master the local ecosystem. This would be important for people interested in agriculture and ecology. This included learning about the animals in the area and how to deal with them, how to build one season or uh, one season and lasting huts and fences, how to build granaries and effective farming techniques. Even the disabled were taken care of in the Dara Tarbiyah. And the mentally ill were socialized and assigned tasks within the homes of their unit leaders, the Jorins, before gradually being integrated into working units and on farms. Each sickness of the, of the heart, ragicholi, was treated with a particular task. Thus, sometimes disciples who suffered from rei, arrogance, were sent to beg until they acquired humility. Begging was therefore an important pedagogical tool to cure the sickness of arrogance. Those who suffered from naivety, cupidity, could be tasked to work hard and to give away their gain selflessly for the sake of God until they achieve a state in which richness and poverty meant the same to them. Those who were lazy and lacked work ethic might be required to work in groups where they had no choice but to work like their peers. When disciples graduated from these schools, <laughs> they were well prepared to face the challenges of the outside world. When disciples completed the tarbiyah phase, they moved to the second level of spiritual education called tarqiyah. While cultivating the core ethical virtues of the movement remained critical for success in this stage, the focus shifted to spiritual elevation. The obstacle they had to overcome here include the four enemies of the soul. satan, Satan, Banech, unrestrained love of worldly pleasures, Bakan, unrestrained lower self, and aduna, and restrained love of earthly life. After the tarqiyah phase, disciples move to the final tasfiyah level. Because they had had an abnormal life, a challenging one during the previous phases, the tasfiyah level was designed to resocialize them into their communities. This is how Sheikh Ahmadu Bamba's education system attempted to fix society and mended his followers, what the Wolof would call Defar Talubi. According to Serin Bangiran, Sheikh Ahmadu Bamba's education made his disciples non-violent, hardworking, vigorous, resolute, determined, and immune to discouragement and adversity. Therefore, they succeeded and excelled in whatever project they undertook. The mosque called Masalik al Jinan in Dakar, the Sheikh al University under construction, and several successful Murid projects in the past are testimonies to the economic independence of the Muridiyah and the effectiveness of the virtues that Sheikh Ahmadu Bamba taught to his followers. In conclusion, Sheikh Ahmadu Bamba has left us with an excellent model of education that can produce new generations of self sufficient and successful, positive individuals. His educational ingenuity and virtues that his Wolofal scholars, such as Sirin Musaka, Mbai Jahate, Jarambai and Morkaire have translated for the masses offer important educational resources that can help to address our current educational, social, economic, and developmental challenges. Finally, I conclude by wishing well Sirin Muntaha Mbake as he leads the development of the Sheikh Ahmadul Khadim complex which can be a place where students around the world come to learn the fine virtues that Sheikh Ahmed Bamba taught so that they become active agents in the development and construction of peace and prosperity in Senegal, Africa, and the world. Thank you very much for your attention. And I give the floor to the moderator, Sinsambuso. Ah, thank, thank, thank you very much. Euh, merci beaucoup, professeur Falungom. Euh, vous avez bien campé ce sujet. Vous avez parlé de la réforme profonde, la réforme éducative euh, profonde que Cheikh Bamba avait réalisée par rapport à l'éducation islamique. Vous avez mis l'accent sur la himma et les valeurs qu'elle implique comment les premiers disciples ont incarné cette humain. Vous avez parlé aussi de la typologie des Dara dans le, modèle éducatif de Cheikh Ahmadou Bamba. Dara Quran, Dara Amram, Dara Tarbiya. Et vous euh, avez largement la philosophie éducative de Cheikh Ahmed Et vous avez parlé des résultats sing some. My name is uh, Morfei. I have a PhD in uh, social human sciences, and I am a member of the High Education Commission of the CCAK project. CCA project, that means Complex Sheikh Khadim, that is one of the, the great projects in media nowadays. And I have the, the the opportunity to take uh, apart to this very important project from the uh, Khalif General of Murid. Uh, what I can say is that uh, that is a great pleasure, a great honor for me to take uh, uh, to participate to this activity, uh, to this activity with, with this topic teaching philosophy and school of the Muridia that is an uh, opportunity for me uh, to present to you uh, the CCARK project. What I can say is that uh, the Sheikh Amul Khadim Complex for Education and Training is a very important step to the teaching philosophy in School of Muridia, as uh, uh, Professor Faldungom said it is a, a concentration of all the efforts made by Srin Tuba Halim Rasul and his successors to build a very strong school uh, uh, to promote the Mudia way or the Mudia philosophy. Uh, now I gonna give you the main lines of my expose. First, I will uh, present to you the background and overview of the of the complex uh, of Tuba of the Sheikh Amadou Khadim Complex for Education and Training. That is the first uh, uh point I gonna discuss with you. Uh, secondly, I gonna present to you the missions of the complex, and uh, at last I will present to you the structure of the complex. Yes. No problem. Concerning the the background of this complex, what we can say is that uh, Sheikh Ahmadul Khadim Complex of Tuba is an education and training institution based on the educational reason and religious principle of Sheikh Ahmad Bamba, servant of the Prophet Muhammad. Such reason, which consists of worshipping God through acquisition of useful knowledge, virtuous action, and adherence to moral values, underpins the foundation of the holy city of Tuba with the aim of making it a hub of knowledge and guidance for believers from all backgrounds. In this regard, Sheikh Ahmadul Bamba, the founder of the Holy City, made in his poem entitled Madlu Fawzaini the following prayer. O Lord, make my home a place conducive to the pursuit of knowledge, meditation, and uh, understanding make it a place of guidance, teaching, and righteousness. That's on this basis that the If Caliph General of Muidia Brotherhood, uh, Sheikh Muhammad Muntaha, has given the top priority to strengthening the important role of education in Tuba so as to place the city among the most renewed Islamic cities in this domain, such as Medina, Basra, and Kufa. Therefore, he decided to prepare a comprehensive educational program based on the solid foundations of Islamic education and embracing all areas of knowledge essential to the temporal and spiritual life of mankind. This ambitious program is to implement one of the major projects of the Sheikhul Khadim, which is the establishment of a great scientific center in Tuba, which will receive students from all over the world. Uh, in summary, that is the background of this important uh, complex uh, called uh, Sheikh Ahmed Khadim Complex for Education and Training. Uh, as far as the mission of the complex are concerned, what we can say is that these missions, these missions are first training, combining Islamic tradition, modernity, and openness. Second, scientific research for national, regional, and global development. And third, mission disseminating of the values of Islam and the message of progress and peace from Chair Ahmad Bamba. Uh, what about uh, the structure of the complex? What we can say is that the complex is, is uh, based on many structures. We have uh, an administration and common service units. first. Second, we have religious science units, And third, we have uh, the traditional religious studies units, and fourth, we have a high education unit. Uh, uh, that means the university. What we can say about about the about administration unit is that uh, this project is a very important one uh, concerning administration we, we want to, to build on the kind of administration we can see in other universities like uh, uh, Gaston Berger, like Cheikh Anta Diop, like other universities in Senegal. So we have to, to build uh, uh, a rectorate, we have to build a library, we have to build any other institutions that can help administration to, to work to function. Concerning the, the religious uh, aspect of this project, we have to, to build an Islamic institute, a Quran institute. And this Quran institute uh, is to, to welcome youngsters from six, six years uh, old. And they have to, to learn Quran uh, and to master Quran before getting out this uh, Quran Institute. That is the first pedagogical institute we want to build on the complex in uh, of Tuba. And uh, another structure we want to build is the Majalis. The Majalis, everyone uh, can uh, see, understand what that means. The majlis is a structure you can enter uh, after you have missed all the Quran that help you to understand deeply the principle of Islam that can help you to, to understand deeply Sharia, that can help you to understand deeply the philosophy of Muridia, uh, and so on and uh, uh, about the higher education unit of the, of the complex, that means the university, we have here three faculties. The, fac the first faculty is the Faculty of Islamic and Arabic Studies with two departments. We have a Department of Islamic Studies and a Department of Arabic Language and Literature. And uh, the second, the second uh, faculty is the Faculty for Professional Studies. This faculty uh, offers courses in emerging professional needed by uh, Senegal and Africa to support their economic and social development. And in this faculty, we have five departments. We have a department of crafts, we have a Department of Public Works and uh, Engineering. We have a Department of Electromechanics. We have a Department of Information Technology and Communication. And we have a Department of Advanced Business Studies. And uh, the, the third faculty is the Faculty of Agronomic Science and Food Technology. And uh, this faculty uh, aims at contributing to Senegal's agricultural modernization with a view to achieving food self-sufficiency. And in this uh, faculty, we have three departments, the Department of Agronomy and Plant Production, the Department of Livestock Farming and Production, and the Department of agri food Technology. And uh, in in in um, to, to to to to summarize in in in summary, what we have uh, uh to say is that this complex is really another uh, step, another very important step through uh, what. Falun Gong said, the philosophy and Mudia, that is a modern, a modern in a way to modernize uh, all the tradition in teaching uh, the philosophy, in teaching uh, the way of life of Mudia, and it is uh, a means to make Tuba a hub for all that, all those people who want to, to get knowledge from all over the world. And uh, I thank you for your attention. Merci, thank you, merci. Euh, merci, professeur. Euh, vous avez bien parlé des background, du complexe, des missions des complexes et les composants. Euh, vous avez parlé de l'Institut du Coran, le Majalis et l'enseignement supérieur avec ces trois IFR et les départements de chaque IFR. Vous avez bien rappelé que ce projet a son ancrage sur la philosophie de Cheikh Hamadou Bamba. Merci, merci, professeur. Donc, on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Je vais rapidement donner la parole à Sofna Magatila, euh, qui va se présenter brièvement et intervenir par rapport à l'éducation des filles dans le modèle éducatif de Cheikh Hamadou la parole, Sofna Magatila.

wala mu dindi mu dindi vidéo bi xam ki bande aussi moo moo moo faible ah sëñ Sam jàllal ci ci ci sëñ Lo après ñëwaat ci ñëwaat. waaw kon dañuy dem ci on va on va passer la parole à Serigne Madou Lo inspecteur euh, qui vient de publier un ouvrage euh, sur Serigne Mbaye Diakhaté on, le sait, Sri Yahate véhicule cette philosophie éducative qui est importante. Serigne euh, Mohamed, vous avez la parole. Et on va revenir à Sohna Magat, Merci Serigne Sam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Mamadoulo, je suis inspecteur de l'éducation à la retraite ancien instituteur, ancien professeur de lettres, chercheur en études mourides, spécialisé dans la littérature wolofal mouride, membre du comité de pilotage dans le projet du complexe Cheikh Al Khalib. Par rapport à la question de la philosophie de l'école de Cheikh Ahmed Bamba, je pense que pour mieux appréhender les choses, il faut un peu convoquer l'itinéraire même de Serine Touba. Cheikh Ahmed Bamba est ce maître Sufi. qui, à partir des années 1880, a marqué son époque d'une empreinte indélébile en matière d'enseignement et de formation morale et spirituelle des masses populaires. Né vers 1853, il s'est révélé au monde après le rappel à Dieu de son illustre père, Serigne Salim dans la poursuite de l'œuvre d'enseignement de celui-ci, mais avec un style personnel tout à fait nouveau, presque révolutionnaire à l'époque. sérim Falungom l'a évoqué tout à l'heure. Jusqu'ici, en effet, dans le Sénégal des royaumes, ce qui se faisait le plus en matière d'enseignement religieux, c'était surtout la mémorisation du Saint-Coran et une certaine maîtrise des sciences religieuses islamiques. L'éducation morale et spirituelle des croyants n'était pas le plus souvent une priorité pour les maîtres des foyers religieux. Pour Serine Touba, il s'agissait de rénover une voie que son troisième calife, Serine Abdul Ahal appellera la voie du pacte d'allégeance. Je n'ai pas fondé de confrérie, avait-il averti très tôt. J'ai trouvé que la voie qu'avait empruntée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons étaient flétris. Je l'ai défriché le plus proprement. Ainsi, la philosophie qui sous-tend l'école du Cher a toujours privilégié l'éducation morale et spirituelle, passe-passe à jikko au détriment des connaissances simplement livresques. Nous avons donc là une des particularités du Cheikh Ahmed illustrée entre autres par un grand nombre de reprises des grands ouvrages théologiques soufis, en plus d'actions pratiques de façonnement des disciples. Beaucoup de ces ouvrages classiques, en effet, vont être repris par le Cheikh, notamment en versifiant ce qui était en prose et en simplifiant le registre de langue. Le temps ne nous permet pas, malheureusement, de donner des illustrations. Il m'a dit-il, d'ajouter quelque chose qui ne figurait pas dans la prose afin que cela profite au moins perspicace. Dans moi, il vous On peut donc noter que le souci du cher a toujours été d'accroître l'accessibilité de ses œuvres en les rendant dans une langue plus souple et sous une forme versifiée. Et avec la production des poètes formés à son école, on peut affirmer que ces derniers poursuivaient les mêmes objectifs, c'est-à-dire rendre le message original encore plus clair et plus accessible. Mais alors que pour le maître, la forme poétique et la simplification du registre de langue étaient les principaux facteurs de vulgarisation, pour les disciples, il y avait en plus de la forme poétique la grande nouveauté de l'utilisation de la langue nationale Wolof dans l'écriture. J'ai eu à mener depuis quelques années une recherche sur la poésie Wolofal Mouride. Et par de nombreux aspects, constaté que l'usage de la langue Wolof par ses poètes disciples participait essentiellement de la nécessité de poursuivre l'action de vulgarisation des enseignements. Il fallait en effet rendre tous ces contenus dans le parler le plus répandu du Sénégal des royaumes afin de les mettre à la portée du plus grand nombre. Parmi ces disciples qui continuent à faire de l'œuvre de vulgarisation, on peut citer Serigne Moussaka, Serigne Mor Cheikh Samba et Seigne Mbaye les plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres. Seigne Moussaka peut-être le plus connu, il fera deux objectifs en ces termes. wi wolof te ce qui fait que ce poème est en wolof alors qu'il devait être en arabe c'est que j'ai l'intention j'ai l'intention de faire connaître le Seigneur à ceux qui n'ont pas étudié l'arabe mais de tous ces écrivains, on peut considérer Seigneur Diakhaté comme le plus spécialisé dans l'éducation morale et spirituelle des aspirants. Je viens d'ailleurs de publier l'ouvrage que j'ai écrit sur la production de ce poète qui semble s'être donné comme mission de poursuivre plus systématiquement les actions de vulgarisation du cher en privilégiant l'éducation morale et spirituelle des disciples. Passe-passe de J'ai intitulé un aspect de la politique l'éducation morale et spirituelle de l'aspirant almoride dans la production de Seigneur Diakhaté. Les marques d'intertextualité qui caractérisent les relations entre les de Seigneur et les œuvres du Cher, le Coran et les hadiths, sont en effet très nombreuses, singulièrement dans le traitement des quatre ennemis de l'homme, évoqué tout à l'heure par Seigneur Falco, de prédilection des maîtres filles. L'âme charnelle, le bas monde, Satan le maudit, de même que la passion profonde sont les obstacles à l'accession à celui qui s'écoute pour cette qui le dans mon sur l'illumination des cœurs. Il s'agit là, pour l'éducation spirituelle islamique, des quatre pires ennemis de l'homme. Les combats pour tous les maîtres spirituels constituent ce que Cheikh Ouambamba appelle la guerre sainte de l'âme, la guerre du nafs. Seri Moussaka, lui, dira Baner, Bakana Dunya, Kulen Fetal, C'est La l'âme Chavanel et le bas qui les fusillent à terrasser les exécrables ennemis. Dans d'autres ouvrages, tels que le al-Khudinane, Dinan, les itinéraires du paradis, et le Nardur Khala'il la voie de la satisfaction du le chef reprend les mêmes thèmes consacrés aux vices apparents et cachés des êtres humains et aux règles de bonne conduite et de vertu. On peut également un grand nombre de qui s'intéressent à ces thèmes. Quant au Coran, la source mère de toutes les sciences religieuses islamiques, ce sont des dizaines de versets qui sont consacrés à ces questions. Nous verrons que cette médiathèque va s'inscrire en droit dans cette perspective de promotion de l'éducation morale et spirituelle des aspirants. La lecture ou l'audition de ces poèmes révèle la même confier Koumba à Ahmadou Koumba des recommandations propres à le faire échapper à Satan, à l'âme charnelle, ainsi qu'à tout ce qui constitue l'objet de crainte, dit Seigneur à l'incipit d'un de ses poèmes. Le temps ne nous permet malheureusement pas de donner des exemples tirés des textes, mais il a été largement démontré que l'une des plus grandes particularités de l'école de Cheikh Amadou Bamba consistait à privilégier la bonne conduite conformément aux prescriptions de l'islam plutôt qu'une érudition basée sur des connaissances

Euh, merci Serigne Modulo euh, pour cette euh, belle intervention qui nous a montré que Serigne Baye illustre parfaitement, parfaitement cette philosophie de Cheikh Lamba à travers la promotion de l'éducation morale. Donc, ce que je retiens ici, c'est que ce, dont le professeur Palungom parlait, s'agissant de la libération libéralisation ou la démocratisation du savoir que Cheikh Ahmed Bamba avait opéré, le Wolofal mourit en est une parfaite illustration et en est une preuve que le Wolof, avait participé à vulgariser les anciens. Merci, professeur. Peut-être Sri euh, va nous donner quelques minutes. Euh, de plus, vraiment permettre à Thomas Magatila euh, d'intervenir sur ce, sujet. Parce qu'elle elle voulait aborder un, aspect très, très intéressant euh, du méthode éducatif social. Mais comme le temps est terminé, mais c'est va nous accorder peut-être 5 minutes. micro. Mame Diarra Mame Diarra waaw way way way Sëriñ Mamadou Lo fay sa micro soxna Maguette daf nekk en mute daf nekk I didn't mean it this time around. nañ mën a am juróom Well, waaw am problème am problème. waaw mais mais comment lui faire comprendre que on doit. non il faut mu bës il faut mu bës timide bi. écran bi ci kaw écran bi. bësal ci kaw écran bi soxna Maguette bu appuyer sur Allô oui voilà voilà waaw une ah, Sam non mom, c'est Sidi moom moo ma coupé on sànq c'était mon moo ma coupé allô allo waaw maa ngi leen ziar bu baax a baax wa rahmatullah euh, je profite de l'occasion donc pour saluer tous les panélistes donc Serigne Modulo que j'ai eu donc le plaisir de lire à chaque fois que je travaille donc sur euh, les textes de Serigne Mbaye Diakhaté euh, mon doyen aussi Serigne Fallou Ndiaye Serigne Ngom du moins qui m'a précédé donc à l'université Gaston Berger Serigne Sidi Albouri Serigne Sam donc je m'appelle Sokhna Getsile. je suis une doctorante je travaille sur euh, la femme donc dans la littérature wolof al mouride et je fais une étude comparative donc entre les œuvres de Serigne Mbaye Diakhaté et de Serigne Moussaka. Donc, bon, je ne reviendrai pas donc sur euh, le désir donc de changer la société donc qui a été entrepris par Serine Touba. C'est qu'il a réussi donc de façon extraordinaire donc de par l'éducation donc et ce qui a été apporté tout à l'heure par euh, comme exemple par euh, Baye Modulo, euh, Serine Falungom et Serine Sav, je crois, qui nous a précédés tout à l'heure. Mais il y a un sur lequel je voudrais revenir, c'est sur l'éducation de la femme qui a été le plus souvent donc laissée en rade dans la période, dans l'époque où on était. D'autant plus que donc nous étions dans une société qui était surtout agraire, une société rurale, ou même dans les familles des domiciles. donc les femmes étaient laissées en rade. Donc elles étaient rares, celles qui parvenaient donc à avoir deux à trois ici, comme on le disait, donc qui étaient des parties du, du Saint-Coran. Or, Serine Touba a eu le mérite donc d'apporter une euh, révolution qui était donc assez extraordinaire et qui mérite donc le plus souvent d'être réutilisée, d'être réenseignée donc dans nos différents établissements. Il faudra souligner donc que, comme l'ont déjà souligné euh, les autres, que Serine Touba voulait que nous soyons des musulmans sincères, que nous soyons donc tout simplement des musulmans vertueux et véridiques. Et pour cela, il s'est basé donc aussi bien sur l'éducation formelle que sur l'éducation spirituelle. Les autres panélistes sont déjà revenus là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle Serine Touba a très tôt détecté que la femme était donc le pilier de la euh, société et qu'en tant que telle, il fallait aussi qu'elle soit intégrée dans, dans son modèle d'éducation. Euh, c'est la raison pour laquelle, quand nous reprenons les écrits de Saint-Touba, nous voyons donc que dans la majeure partie de ces textes, il revient pour demander toujours une épouse vertueuse, une épouse donc qui participerait de l'exaltation de la société, une épouse qui est une salihat, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui excelle donc dans toutes les pratiques religieuses. Et cela se justifie dans la mesure où Serine Touba aussi a grandi et a évolué dans un univers où les femmes aussi avait été formée et elle était vertueuse. Sorna Diara, sa mère, a été éduquée et formée par sa mère, sa grand-mère, du moins son Sawal. Serine Touba, Serine Bassirou, du moins, a l'habitude de nous raconter donc, dans sa biographie de Serine Touba, que Sorna Diara avait l'habitude donc de demander, de dire à Serine Touba que bien Excusez-moi, j'ai désactivé donc le micro par inadvertance. Donc, euh, je disais tout à l'heure que parce qu'il a grandi dans un univers où les femmes donc avaient l'habitude euh, de s'occuper de leur progéniture, je rappelle que sa grand-mère, son Astawalo, a éduqué et formé son Diara et que cette dernière avait l'habitude donc de rappeler à Sintouba que les gens vertueux se levaient pendant toute la nuit à un âge où Sintouba lui-même ne savait même pas ce que signifiait donc euh, se lever pendant toute la nuit. C'est dans cette tradition-là que Sintouba a normalement donc pris en compte l'éducation de ses filles dans euh, son projet donc, de révolution de la société. Euh, une autre euh, chose aussi qui mérite d'être soulignée, c'est qu'il y avait un disciple qui était venu donc un jour lui rendre une pièce visite, comme on dit, faire son ziar. Hein. Quand il est venu, une lui a demandé donc, si son fils avait été scolarisé et quel était donc le niveau auquel il, le, niveau donc son niveau de scolarisation. Bon, pour euh, ramasser un peu l'histoire, ce dernier lui a répondu, ça aurait été un garçon, il aurait été, il, il, serait en âge d'être scolarisé. Et Sintouba lui a répondu du tac au tac, et même dans le cas d'espèce où il s'agit d'une fille. Donc cela montre que c'est quelqu'un qui a très tôt intégré donc l'éducation des filles dans son projet. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous prenons donc le cas de, de toutes ces filles, de son Fatiga, à May en passant par soxna Moumi May Koubra soxna Mousli Gabou etc pour ne pas trop prendre du temps elles ont reçu la même formation à l'identique que celle de frères. Il s'agissait d'apprendre le Coran, d'apprendre la Sunna, d'apprendre donc euh, toutes les règles qui faisaient donc de, de telle personne quelqu'un de vertueux. Ensuite, il fallait donc être euh, initié sur le plan spirituel pour pouvoir demain donc prendre la relève et être une le rôle qu'elle devait jouer, donc c'est-à-dire le rôle d'éducatrice et de gardienne du temple. C'est ce qui fait que dans l'entourage proche de Serine Touba, qu'il s'agisse de ses filles ou de ses épouses, ou encore de toutes les femmes qui gravitaient autour d'elle, qu'elles euh, qu'elle soit proche ou non donc de, à, lui de, par le sang, c'était des gens qui se euh, vantaient donc du nombre de Corans qui avaient été donc mémorisés ou encore du nombre de virguettes qu'elles avaient donc euh, sans le voir ou du nombre de poèmes qu'elles avaient donc maîtrisés aussi en leur famille. C'est à ce sujet donc que Serine Salou nous raconte souvent que quand il maîtrisait le poème Ikfini, il n'avait même pas l'âge d'être scolarisé parce que tout simplement, c'était sa mère, son qui avait l'habitude donc de le réciter. Euh, Serine Modulo Dagana, Serine, du Lamine Diop Dagana, qui avait été tantôt cité par euh, Falungom, nous raconte aussi que son Fatou Titi, la mère de Serine Murtala, avait retranscrit donc de sa propre main euh, cinq fois le Saint-Coran. Et les exemples sont foisons. Toutes les filles de Serenitouba Touba pourront vous dire que moi, j'ai retranscrit tel ou tel nombre assez ah, extraordinaire, comme c'est le cas de Sonomé Cobra, qui ont retranscrit un nombre exponentiel donc, de cornes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous euh, rappelons donc la calligraphe de Sonomé qui est toujours chantée nom Koubra, qui a été aussi euh, imitée par ses autres sœurs, Sora, Fatidia. Nous avons donc ces poèmes qui sont là toujours, où elle chante Cheikh Mustafa dans le travail de la mosquée. Nous avons aussi son Ami Cheikh, l'autre sœur de euh, Serine Murtala aussi, qui, était, qui a chanté la célèbre Sokhna Diara euh, en duo avec Serine Moussaka. Nous avons aussi euh, qui est réputé pour sa rigueur, Sorna Sugawan. C'est des exemples qui montrent à foison donc qu'elles ont reçu la même formation donc formelle euh, que leurs autres frères, qui leur confiaient en retour donc leur fille pour qu'elle soit initiée par leur tante, par le, de la paix, par leur banquier. De la même manière aussi, sur le plan euh, spirituel, il y a cet autre aspect sur lequel Sintouba a toujours insisté, que les dons pieux devaient euh, lui parvenir aussi bien donc de sa parentèle de sexe masculin que de sa parentèle donc féminine. Et il leur, fallait, euh, il leur a très tôt inculqué aussi qu'il leur fallait travailler de façon licite pour avoir de quoi donc euh, participer donc de façon licite à l'œuvre qu'il était en train de construire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ces filles qui aussi, à l'instar de leurs autres frères, ont initié et ont euh, défriché des champs, défriché donc créé des villages, comme c'est le cas de Sornomoumi, qui avait sonomé Sornomoumi, du moins, qui avait son village de Darouahab, et qui leur permettait d'avoir des champs, qui faisaient travailler des gens aussi, et le fruit de la récolte participait donc à l'œuvre d'édification donc de la cité bénite de Touba et de la voie de Serigne Touba. Sorno Maï, Fatiga, elle-même dirigeait euh, les travaux de concassage euh, des pierres pour l'édification de la mosquée. Nous avons Sorno Mousli qui s'occupait de la restauration des hôtes, mais aussi qui était une pionnière dans euh, la transformation des produits céréaliers, ce qui lui le travail, le leadership féminin, mais aussi euh, d'avoir le marché des forces armées en fournissant des troupes pour ce qui est donc de cela. C'est ce qui montre que dans l'univers mouride, c'est vrai, la femme, elle est toujours dans l'arrière-garde, mais cela, ne, veut pas dire qu'elles n'ont pas un rôle d'avant-gardiste à jouer. Le plus souvent, ce sont ces euh, filles de Sénitouba qui encadraient leurs frères qui étaient donc les califes qui les conseillait, et ces derniers donc leur rendaient quand même, euh, leur témoignaient du moins un certain respect et euh, une, affection, une affection donc qui était assez extraordinaire. Donc c'est ce qu'il faudra aujourd'hui, à mon avis, revivifier, montrer que dans l'entourage de Serine Touba, la femme, elle était considérée, que la femme, elle était valorisée parce qu'on lui donnait les moyens donc d'être pleinement quelqu'une qui pouvait donc œuvrer pour euh, euh, la religion musulmane et qui pouvait aussi être un vecteur de développement. Je crois donc que ce sont ces exemples-là qui méritent aujourd'hui d'être revalorisés davantage et qui nous montrent la jeune génération donc plus et de cela. Je vous remercie. Je ne voudrais pas trop, trop et je voudrais donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sohna Makat. Euh, vous êtes revenu sur euh, l'importance que le charme, de Charme Bamba euh, à l'éducation des femmes, ce qui peut être considérée comme une révolution à l'époque où les femmes étaient laissées en rade. Donc, vous avez rappelé la vision de Cheikh Ahmed Bamba, comme l'a fait professeur Falungom et Serigne Modulo. Et vous avez donné l'exemple de, de, de, de, cet aspect, de, l'importance accordée à l'éducation des femmes à travers l'exemple des filles, euh, des filles vénérées de Cheikh Bamba. Vous avez bien illustré vos propos à travers des exemples concrets. Donc, merci beaucoup, Magat. Donc, nous sommes arrivés donc, à terme de ce panel. Et tour à tour, on a euh, écouté le euh, professeur Falungom, euh, professeur Morfay, inspecteur Momodulo et Sohna Magasila. Donc, Sri Sidi, ici. on uh, a des questions qu'on peut soumettre à, aux, aux panélistes, peut-être. Je ne sais pas. Uh, maybe there's only one question that would go to Professor Falungom. Uh, Ruby Olis Semeka asked a question. Uh, what texts can we read? What sources can we look at to learn more about the education structures set up by Sheikh Ahmed Bamba, particularly for Murids in America who would like to create a Muridia style of education. Uh, can you hear me? Oh, can you hear me? Yes. Okay, that's a great question. And I think the place to begin is to look at the work of Sheikh Anta Babu. He has uh, uh, produced uh, several articles one of them that's specifically dealing with education uh, in the Muri tradition. His, also, his book also, The um, Fighting the Greater Jihad, also has an important part dealing with education. I also have one publication, uh, I think it was, it's been a long time. It's called um, Sheikh Bamba's Ajami Literature and Sheikh Ahmad Bamba's Pedagogy. So there are several uh, publications out there that actually focus on the muridiyah. So the, I think the place to begin is to look at the work of Sheikh uh, Antababu, and then uh, probably to look at uh, some of the publications I have uh, uh, done recently, and uh, also in my book. I will be very happy to share some of those materials. If you send me an email, I have a copy of my article and few other references. Thank you. Merci donc, euh, Serine Sidi, je vous redonne euh, la parole en vous remerciant vraiment pour cette euh, excellente idée d'organiser ces, panels et les efforts que vous avez déployés pour la réussite. merci à vous, merci à nos panélistes. Euh, à bientôt. Merci à vous tous. Euh, so just one word, un mot pour Sorna Maguette. Sorna Maguette, Can you, eh, tu peux m'envoyer un email comme ça du Joko, ça fait longtemps. <laughs> Eh? et, et, merci pour la présentation extraordinaire ah, Sidi, uh, uh, panéliste. Sidi, eh, Harlan, Boulen, Boulen uh, ah, Sidi, il y a des questions qui sont sur le chat la a Yeah, but, but, but, but uh, unfortunately, the other panel is already waiting for us to start. Okay. And uh, we're going to put it on a uh, fast speed right now. And really thank you for this insightful uh, discussion. We are just starting the discourse. We will have more of this uh, coming up, uh, smaller, and uh, hopefully we will have more time to discuss those great um, uh, research that you guys, you guys are producing and maybe just one thing, uh, by model, if you can, if you can show your book, which is a very voluminous book that you have uh, produced, uh, so people can uh, can see it. I think modulo. Mm -hmm. Modulo, inspecteur. Oui. Oui. Uh, le livre, ce livre, si vous pouvez présenter le livre, mettre le oh. devant la caméra. Voilà. Uh, it's, it's a very big book. Yeah. C'est, c'est bon. Thank you. Merci. Okay, um, we, you can join the, the next panel, uh, which discuss uh, entrepreneur, uh, entrepreneurial um, finance uh, and uh, economics in the Meridia um, using the, the, the uh, next link. Panel six, thank you. Thank Bye you very much. Thank you, thank you very much. Allez, <laughs> oh, Sans J'attends.